L'idée m'est venue parce que je suis jumeau, je suis parti dans une école d'apprentissage du cinéma et des films, de tout ce qui va avec. J'ai dit, et eh, pourquoi pas eh, faire honneur d'abord à nous-mêmes, les jumeaux, à travers eh, un film que je vais dédier à tous les jumeaux et surtout à nos parents. Et qu'est-ce que vous dites dans la caravane des jumeaux, du bon, dandy En fait, c'est juste pour retracer et comment se passe le mariage des jumeaux dans cette société qui est le dandy. Et avant même d'entamer le mariage en tant que tel, je parlais d'abord de nous, les jumeaux. Scientifiquement, comment on voit les jumeaux et socialement, comment les jumeaux sont vus. C'est une vie des jumeaux que j'ai un peu racontée, donc euh, partant de la naissance à leur vie jusqu'au mariage. Quoi. Et dans le mariage, je montrais et surtout la partie mystique, si on peut l'appeler. Il y a une signification à ce rituel qui est celui de la calebasse. Beaucoup pensent que quand on tire sur la calebasse jusqu'à la briser en deux, c'est pour juste dire que non, pour avoir une progéniture abondante. La première signification de ce rituel, c'est d'abord la séparation de ces deux êtres-là qui sont les jumeaux. Vous n'êtes pas sans savoir que les jumeaux viennent au monde ensemble le même jour. C'est la séparation de ces deux-là. C'est ça la première signification qui est beaucoup ignorent. Quand la calebasse va se briser en deux, ça signifie que les jumeaux acceptent d'eux-mêmes de se séparer. Et c'est après cette séparation, c'est l'occasion de se souhaiter beaucoup de choses, des bonheurs, pourquoi pas. C'est là où on profite pour souhaiter eh, une bonne progéniture. C'est là où ça vient la signification de progéniture que beaucoup pense que c'est ça la signification même du rituel de, la calebasse. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voulez faire passer Le message que je voulais faire passer, c'est d'abord pour faire revivre les jumeaux. Le fait que même le flume arrive à ce festival, moi déjà, c'est un atout pour moi. ce que j'attends aussi, que ce film puisse gagner. C'est une satisfaction le fait que le film arrive à ce festival.